de candidat de prononcer un discours en français. Pour dire simplement, je m'appelle Khaber Khader Les jeunes qui soutiennent ma candidature disent AKG et j'en fais volontiers mon nom de campagne. Je ne vous dirai pas j'aime Dakar Plateau, comme le font certains parce que je suis Dakar Plateau. Je suis né au pays de Kédem, à Kerboumak, au 16 avenue Jean Jaurès, où j'ai respiré pour la première fois l'air pur de Dakar Plateau. À Kerboumak, pour la première fois, j'ai contemplé le ciel pur et goûté la terre amère de Dakar Plateau en prenant de l'âge, je me suis promené dans les rues de Dakar Plateau. Elles étaient dégagées à l'époque. Dégagées, propres, bordées d'arbres formant par endroits des arcs de triomphe et remplies du ramage des oiseaux. Sandaga, la soudanaise dont la démolition récente a attristé bien des cœurs, était nettoyé à l'eau de mer et ses limites bien tracées et respectées. Il y avait une maison des jeunes et un grand stade à Rebos, ainsi qu'une école des arts à Niachoker. Il y avait des terrains de football et de handball, des salles de cinéma, des jardins publics, des aires de jeu pour les tout petits. Il y avait des peintres, fleurant la sagesse des ancêtres, il y avait des falaises portant des forêts, des plages propres où on accédait par des escaliers en pierre d'office. Il y avait chèvres Blocos et la corniche du camp Il y avait le Cap Manuel, la plage Hilton et les escaliers de la mort. Et l'avenue William Ponty faisait la fierté des habitants de la Dakar Plateau et les enfants couraient partout dans les quartiers. Les populations étaient gaies et le nom de Dakar Plateau bruissait à l'unisson des vagues penchant sur ces rivages de sable fin. Et grande était la fierté de ses habitants, grande était la fierté de sa jeunesse. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, hélas, tout a changé. Partout, c'est la décrépitude, la saleté et les mauvaises odeurs. Partout, c'est l'encombrement. Et Dakar Plateau, où l'on ne peut plus se promener en sécurité, est devenu la capitale de l'enjambement et du contournement, pour parler comme le grand artiste Vieux Aujourd'hui, pour parler comme le coordinateur de la plateforme Sénégal 2035, il s'agit de redonner la vie à la ville. Oui, redonner la vie à la ville, car la capitale de la capitale se meurt. Hélas, à Dakar Plateau, la mairie, notre principal outil pour remettre les choses à l'endroit et fermer aux populations. La mairie de Dakar Plateau a à sa tête un homme qui en a fait sa propriété privée, un homme qui n'a pas l'expérience du territoire et ne partage pas le rêve de ses habitants, un politicien à l'esprit clivant, qui a divisé Dakar Plateau en deux camps, ses partisans et les autres. Or, nous l'avons dit ailleurs, un maire, c'est comme une mère de jumeaux couchée sur le dos, offrant généreusement ses mamelles à sa progéniture. Un maire, c'est une pluie arrosante, sans disculpabilité, la terre sur son passage. Une pleine lune disponible pour tous les cœurs. Oui, un maire se disent le Lébou du cap la mère du pays ndeyu réew telle une poule sous ses ailes protectrices ses poussins jaunes un maire c'est une oreille disponible une épaule disponible un cœur disponible des jambes et des mains disponibles hélas l'actuelle maire de Dakar Plateau après 12 années de magistère est toujours couché sur le ventre des épines au dos, ne se soulevant que pour têter lui-même les mamelles liées à sa fonction. Sourd, muet et aveugle aux sollicitations des populations et à mal-vivre, régimbant au conseil, allergique à la critique, une seule préoccupation occupe son esprit, renforcer son pouvoir et en abuser, n'hésitant pas à trahir, à piétiner, à humilier, à et à administrer. Bref, j'ai déjà dit pourquoi il devait partir dans un papier largement relayé par la presse et disponible dans le net sous le titre Dakar Plateau, pourquoi le maire Aline doit partir. Ce faisant, j'avais répondu à la première question à laquelle doit répondre tout Canada à une élection où la loi donne au postulant sortant la possibilité de se représenter. Pourquoi il devait partir Quant à la deuxième question, pourquoi j'aspire à diriger la mairie la note de présentation du candidat que je suis y répond. Permettez-moi de ne pas y revenir. Je m'en vais maintenant, Monsieur le ministre, coordonnateur de la coalition, répondre à la troisième question, la plus importante, pense donc, Qu'est-ce que je propose En vous présentant succinctement quelques aspects du programme que nous mettrons en œuvre une fois que nous serons élus, inspirés de l'ambitieux programme que le coordonnateur de notre plateforme a pour la ville de Dakar. Il s'agit de ma lettre de candidature que j'adresse à tous les habitants et il s'agit de la commune de Dakar Plateau. La vision est claire, rendre la mairie de Dakar Plateau aux populations de Dakar Plateau pour en faire une commune moderne dans un horizon compris entre 2022 et 2032 à travers un plan stratégique qui, vous sera soumis prochainement. Le credo est simple, la participation citoyenne encore et toujours. L'objectif, redorer le blason de la commune de Dakar Plateau, améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. En quoi faisant D'abord, en impulsant une participation citoyenne de toutes les populations. Cette approche traduit l'esprit de la décentralisation par l'installation de conseils de quartier dont les bureaux élus par l'AG et installés par le maire auront en charge de recueillir l'expression des besoins des populations et de gérer au quotidien les affaires de la cité. Les chefs de quartier et les imams seront membres d'office des bureaux des dix conseils. Il sera dressé un répertoire des compétences par quartier dans tous les métiers et domaines d'activité des personnes physiques et morales le soutien et l'accompagnement de la mairie seront accordés à toutes les organisations, jeunes entrepreneurs, artistes, artisans, sportifs qui en auront besoin. Ce premier point concerne la gouvernance. En matière d'éducation et d'insertion, les établissements scolaires seront reconstruits ou réfectionnés et équipés chaque fois que nécessaire, entretenus par un personnel d'appoint et dotés en fourniture, matériel et tenue scolaire, ainsi qu'en suppléments alimentaire et en unité d'infirmerie. Des Oscars de l'excellence primant les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants et les meilleurs établissements scolaires seront organisés en partenariat avec l'inspection d'académie. Les DARA bénéficieront du même traitement. L'association des élèves et étudiants du plateau sera accompagné pour un meilleur encadrement et suivi des élèves et étudiants jusqu'à leur insertion éventuelle dans le monde du travail. Un incubateur communal pourrait être mis en place dans la perspective d'une insertion économique appropriée de la cible en partenariat avec le dispositif national d'insertion des jeunes. Concernant la santé, pour le relèvement de la qualité des soins. La subvention annuelle aux structures sanitaires sera revue à la hausse et comprendra trois tranches, équipements, médicaments et finances. Chaque structure sera responsable des infirmeries scolaires qui seront ouvertes dans sa zone et où seront positionnés des agents de santé avec tout le matériel et équipements nécessaires. À chaque période de ans, des assistants médicaux seront affectés à chaque ASC pendant toute la durée des compétitions. L'accès à la carte sanitaire sera démocratisé. Les programmes de l'État, comme ceux du PNT, du PNLP, du CNLS et ceux du district sanitaire seront accompagnés. Des formations en secourisme, premiers soins, sensibilisation sur les grandes pandémies et la prévention routière seront offertes aux membres des ASC et autres associations de quartier. La cohorte constituera le corps des volontaires en charge des activités de sensibilisation et de prévention qui seront organisées dans les quartiers et les établissements scolaires à l'approche de chaque hivernage et chaque fois que nécessaire en partenariat avec les services d'hygiène. Dans le domaine de l'action sociale, les secours aux indigents, l'assistance aux familles démunies, aux veuves, aux orphelins, aux malades, aux retraités, etc., seront organisés de concert avec les conseils de quartier. Les bourses et aides aux élèves et étudiants se feront en rapport avec les associations. Les daïras et autres associations confessionnelles seront assistées, de même que les grandes cérémonies religieuses et les différents pèlerinages. Une assistance sociale sera recruté pour accompagner tout ce domaine. Des services techniques communaux seront créés afin de gérer la logistique de la commune et tous les services y afférents et de répondre correctement aux attentes des populations. Des jeunes sous l'autorité d'un agent voyer et d'un chef de la division environnement seront formés à ces tâches. Il sera procédé à une modernisation de l'état civil. C'est une urgence en termes d'équipement, et de personnel dans les centres de l'hôpital principal et de l'étanté. Pour la sécurité, l'environnement et le cadre de vie, des brigades seront constituées. Brigade jaune pour la sécurité et brigade verte pour l'environnement et le cadre de vie. Le branchement à l'égout et à l'eau potable sera universalisé. Des campagnes de reboisement, de pavage, d'éclairage et d'assainissement des quartiers seront organisés. Des jardins seront aménagés. Les plages seront sécurisées, ainsi que les débarcadères traditionnels. Des aires de jeu pour les enfants seront ouvertes dans les quartiers et autres espaces qui pourront en abriter. Des concertations seront organisées avec les commerçants de rue et les riverains pour restructurer l'occupation de la voie publique. Des centres commerciaux seront créés pour libérer les trottoirs après un recensement exhaustif des marchands de rue. Des parkings seront aménagés et la réglementation du stationnement réorganisée. Jeunesse, sport et loisirs. Sur le site du service d'hygiène sera ouvert un centre socioculturel où la jeunesse pourra s'occuper dans des loisirs sains, s'épanouir s'informer et se former. La formation professionnelle sera de mise et la formation au métier des start-up encouragée. Les jeunes entrepreneurs seront encadrés et accompagnés pour l'obtention d'un financement. La subvention aux ASC sera renforcée et élargie aux associations de développement. Elle comprendra deux tranches, une pour le football et le sport en général, une autre pour la culture et les activités citoyennes. Il mettra sur pied un studio d'enregistrement et un groupe de presse communautaire avec journal, radio et télévision. Bref, le rêve, vous l'avez compris, c'est de mobiliser tous les enfants du plateau, sans exclusif, pour remettre la commune sur les rails de l'émergence, du développement et du bien-être. La concertation sera permanente le suivi et l'évaluation seront de rigueur. Les anciens maires et tous les ex-conseillers de Abla en passant par Fadel Gay et Alundoy, ainsi que les grands entrepreneurs et hommes d'affaires, les autorités coutumières et religieuses, ainsi que la diaspora seront mises en contribution. Nous le pouvons parce que nous sommes Dakar Plateau. Monsieur le ministre puisque nous jëm Dakar Plateau il fallait que lire discours Nous programme de l'ère ci Nous avons l'air. comme li nous bëgg Dakar Plateau Madame mairie Dakar Plateau delloo ko wa Dakar Plateau ndax su état central waxee décentralisation pour jege population yi motax kon bok su jëlee ay jox ko commune ñu une ko ci loxo maire yi maire yi dañ ko war wëyel au niveau des quartiers ce que nous voulons en dehors du conseil municipal une fois que nous aurons la mairie mom moy créer un conseil de quartier dans les 14 quartiers de Dakar Plateau assemblée général quartier bi mooy daje fal conseil bi nga xamante ne imam daf ciy bokk délégué de quartier daf ciy bokk bàjjenu gox daf ciy bokk ñu tànn seen coordonnateur coordonnateur ba nekk Rebeuss nekk ñaa cotteer nekk cëddéem nekk yàq jëf nekk kaay fi ndiw moom mooy taxaw taxawaayu maire ci biir quartier boobu la kon boog 14 maire am Dakar Plateau maire yooyu la nekk ci quartier ba àndax maire ba nekk ci commune ba ñu liggéey Dakar Plateau ci diisoo ak waxtaan ndax bi am actuellement la mairie de Dakar Plateau a un budget de 13 milliards soo cumulé les 5 années de Ablaye Makhtar et les 7 années de Fadel une année à Ndoye moo ëpp ak koom moo ëpp ak de te ko kenn kon des dañ